organisons cette cérémonie de distribution des prix. C'est vrai qu'au début, quand on a parlé de notre projet, à certains enfants, ils ont tout de suite adhéré à notre projet. Ils n'étaient pas, pas nombreux, c'est vrai, parce que pour la première édition, nous l'avions organisé dans la salle qui était en bas et dans la salle où nous sommes aujourd'hui. Donc les élèves de l'école élémentaire étaient en bas et ceux du secondaire étaient en haut. Mais dès la troisième édition, nous ne pouvions plus organiser ce concours parce qu'il avait déjà connu un succès qui avait même dépassé les frontières de Thiès. Il nous est arrivé de recevoir des élèves de Bambay. C'est dire donc que ce projet a été adopté par les enfants et par leurs parents. Et aujourd'hui, je vous le dis en toute honnêteté, si nous ne cachions pas un peu la date à laquelle nous faisons les concours, peut-être que nous aurions du mal à l'organiser. C'est parce que nous ne voulons pas éprouver du mal pour l'organiser. C'est pourquoi nous cachons les dates. Mais nous aurions souhaité que tous les enfants de Thiès puissent participer à ce concours. Je disais au départ, on était trois enseignants. Ils sont toujours là, ces trois enseignants. il y avait deux enseignants de l'élémentaire, M. Mbou et M. Khalil Sow, et un seul enseignant du secondaire, M. Tchoun Aujourd'hui, on a doublé le nombre d'enseignants parce que M. Sagi qui est venu nous rejoindre dans le secondaire. Mme Doumbia est revenue est venu nous, rejoindre dans le secondaire. Et dans l'élémentaire, M. Kamara aujourd'hui travaille avec nous. C'est dire donc que notre projet, notre projet a été adopté par les enfants. Mais si nous pouvons faire ce que nous sommes en train de faire, c'est parce que il y a des gens quand même qui nous donnent les moyens de le faire. Parce que nous seuls, on n'aurait pas pu le faire. On a l'intelligence, on a peut-être les idées, mais on n'a pas les moyens financiers. Donc si nous organisons ces concours, c'est grâce à cette association qu'on appelle Débouté, qui se trouve à Rangis, en France, et de London le maire est un amoureux du, du Sénégal. Mais il a fallu qu'une autre femme lui passe le virus du Sénégal, de l'amour du Sénégal, pour que lui-même, il en éprouve le besoin d'éviter, de, euh, pardon, qu'il n'éprouve le besoin de de, si vous voulez, d'aider euh, nous retrouver à travers, si vous voulez, toutes les activités qu'elle est en train de faire. L'année dernière, lors de la cérémonie, vous vous rendez compte que nous avions pleuré, pleuré pour l'ancienne dame, la, euh, Michel Gourmelin, qui était l'ancienne présidente défunte. Évidemment, aujourd'hui, nous, nous sommes en train de passer cette étape-là, parce que c'est ça la vie aussi. L'association continue de travailler, continue de vivre. Aujourd'hui, on a mis en place un autre bureau qui est dirigé par cette dame qui est là-bas. Mais une dame aussi qui aime le Sénégal, qui a envie encore de continuer pendant très longtemps, en tout cas tout le temps, qu'elle aura les moyens physiques, les moyens mentaux, tous les moyens. Elle fera en sorte que le projet tel que Michel le lui a légué, ce projet puisse toujours continuer. Donc, m'adressant aux enfants, je voudrais leur dire que nous avons vu ce que vous avez fait. Nous sommes contents de vous. Nous sommes fiers de vous. Parce que nous avons compris que vous, vous n'êtes pas comme les autres. Vous avez envie de devenir des hommes et des femmes qui vont changer ce pays. Donc nous vous encourageons. Vos parents aussi, nous les remercions. Parce que peut-être que s'il n'y avait pas cet encadrement-là, peut-être vous n'auriez pas les résultats que vous avez. Mais vos enseignants aussi, nous les respectons. Parce que sans les enseignants, peut-être que vous n'auriez pas eu ce niveau-là. Donc travaillez, continuez à travailler parce que c'est ça la voie. Les lu vont liguer wax lu liggéey leen dañ leen di parce que jàng ci le seen avenir nek, ci l'avenir Sénégal nek. ñun nag ñu ngi leen di ñaanal parce que chale, toujours chale toujours danga koy ñaanal a la ko chat. ñu labal ko cat parce que cat gi bu leen dalul rek lu ngeen bëgg cat yi na mën ngeen ko am. donc yàlla na leen fi yàlla bàyyi bàyyi fi aussi seen waajur yi di wax ne ñun en tout cas kontaan nañu lool ci li ngeen liggéey li ngeen liggéey baax na mais pour ngeen liggéey loolu nag il a fallu que ngeen amay maîtres yu leen jàppale ak ay professeurs yu leen jàppale donc seen maîtres yi de leen leen déglu parce que maîtres yi ñu leen di wax loolu moo gën ci yéen. dans l'ordre de votre élection mesdames messieurs les parents chers enfants il me plaît aujourd'hui de prendre la parole au nom de monsieur le président Massar Diop absent pour le représenter ici à cette huitième édition organisé par le CDI de Thiès en collaboration avec Niroto euh, je ne pourrais pas m'aventurer dans un discours peut-être qui serait plus ou moins annuel, mais je vais seulement apporter quelques témoignages à Monsieur Mamadou Diop, qui est le coordinateur de nos autorités ici à Thiès, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de la charge dont il est investi ici à Thiès. Il a entretenu avec l'association, je dirais même avec les associations de Thiès, les associations des parents d'élèves et étudiants de Thiès, de très bonnes relations. Des relations de fraternité, des relations de travail et des relations très, très sincères. Monsieur Diop, nous vous remercions beaucoup. Chers enfants, nous vous encourageons et vous félicitons. Tout à l'heure, vous serez primés, Inch'Allah. Mais je vous demanderai de redoubler d'efforts et tendre à être les hommes et les femmes conscients des problèmes que rencontre leur pays et soucieux de les résoudre. Je veux dire des hommes et des femmes responsables et meilleurs. M. Diop en a parlé tout à l'heure, mais moi j'irai juste pour vous dire qu'au-delà de ces encouragements, au-delà de ces félicitations, nous allons vous donner un conseil. Celui de rester attentif aux problèmes les problèmes que rencontre l'école, la solution ne se trouve pas dans la rue, mais à l'école. Obéissez vos enseignants. Obéissez-les autant que faire se peut, parce que ce sont eux qui remplacent vos parents à l'école. Ce sont eux qui vous enseignent. Ce sont eux qui vous apprennent la vie. Euh, comme ni ñu ma ko waxee sànq naa wax tuuti ci wolof ngeen baal ma àq xam naa dina jafe ndaxte ku juddoo ñaaxar dans le département de Fatick ñëw fii ci pencum la doon Ngoné Latyr Diop mii ak ñi fi nekk <laughs> ak mag ñii ma nga xam ne ñoo nekk ci sama wet di fi wax wolof dina xaw a jafe waaye nag ñu seet rek lépp luñ ci am rek nañ ko doyloo ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant di leen gërëm di ñaan yàlla suñu daje bi yàlla bu mu doon suñu mujjub daje daje yi koy yi koy yi ciy mujj yi koy topp yàlla na nekk daje yu gën yi di leen ndokkeel ci weeru koor wii nga xam ne moom la ñu génn di ñaan yàlla lépp loo xam ne lii jaamu nañ ko ci moom yàlla subhanahu wa taala mu nangul ñu ful ko te defal ñu ay yiw ñun ñëpp kilifa yi ñoo ngi leen di nuyu eh, suñu mbokk yi nga xam ne ñoom ñooy kilifaay école yi ñoo ngi leen di nuyu ñun ñi nga xam ne itam ñoo ngi fi teewal fii association yi nekk ci biir école yi di liggéey ak école yi ngir xale yi eh, ñoo ngi leen di nuyu di sant di sargal xale yi di leen ndokkeel ci lii nga xam ne lii moom la ñuy am léegi di leen wax aussi ne na ngeen góorgóorlu jokk góorgóorlu ba at mu jot ngeen ñëw te ñu yokk ñaan yi pour at mu jot prix yi gën a bari récipiendaire yi gën a bari. Euh, je suis monsieur Mamadou Diop je suis le gestionnaire du centre de documentation et d'information Nouroté Wouté. Aujourd'hui, le centre de documentation et d'information Nouroté Wouté a organisé la huitième édition de la cérémonie de remise de prix que nous, TOT, organise depuis 8 ans. Donc à l'occasion, nous avons primé les meilleurs élèves du concours. Et comme vous avez pu le remarquer, le tout a été couronné par deux grands prix. Le grand prix du maire de Angis et le Grand Prix de la présidente de Nouro Pourquoi ces deux personnalités Parce que c'est vrai, l'association a le mérite d'exister, l'association a le mérite de bien travailler, mais c'est grâce à l'appui de ces deux personnes que nous avons eu la possibilité de faire ce que nous faisons jusqu'à présent. Mais en dehors de cette cérémonie d'aujourd'hui, tout le monde sait que notre s'implique s'implique dans la bonne marche des écoles, si on peut dire comme ça, parce que au début de chaque année scolaire, l'association octroie des subventions aux écoles pour leur permettre de démarrer les cours dans de bonnes conditions. Ensuite, par rapport toujours aux écoles de la ville de Thiès et du département de Thiès, l'association aussi finance des projets qui sont présentés par ces différentes écoles. Et je pense que l'un mis dans l'autre a permis, même si on ne règle pas tous les problèmes de l'école, ça a permis aussi de régler des petits problèmes. Il faut le reconnaître. Donc, je voudrais saisir l'occasion pour remercier le comité d'organisation dans lequel on note des hommes et des femmes, pétrir de qualité, des hommes et des femmes qui sont mûs par simplement le devenir des enfants. Et leur implication dans l'éducation a permis de faire des avancées dans la région de Thiès. Parmi ces hommes, il y a des enseignants. Je ne les citerai pas tous, mais je ne peux pas ne pas quand même citer un certain nombre. Parce qu'au début, on était un petit groupe, mais aujourd'hui, le groupe s'est élargi. Et grâce à ces hommes et à ces femmes, nous avons pu quand même obtenir des résultats intéressants. Donc, au nom de l'association Vouté, je voudrais aussi remercier les parents d'élèves de la région de Thiès, mais surtout les parents d'élèves de la commune de Thiès, qui ne cessent de s'impliquer nuit et jour pour que les enfants étudie dans de bonnes conditions. C'est le lieu aussi de dire que nous sommes engagés auprès des enfants et que notre engagement, nous le voulons sans faille. Cet engagement, nous le voulons pérenne. C'est pourquoi, tant que Dieu nous donnera la possibilité de faire ce que nous sommes en train de faire, nous continuerons dans cette voie. Cette cérémonie de distribution de prix qui clôture un peu les activités du CDI, aujourd'hui a été pour nous l'occasion de fêter les enfants, les meilleurs enfants, de parler des résultats qu'ils ont obtenus à travers les quatre concours que nous avions mis, disons, en compétition, à savoir le concours de dictée, le concours de rédaction, le concours de lecture et le concours de dessin. Donc, bravo à tous ces enfants, mes félicitations à leurs enseignants, mais aussi à leurs parents. Je vous remercie.